oui nous sommes des ziar c'est Daouda Mbengue président de la commission sportive Pour AGEL de Rufisque. Oui, gis le euh, première mi-temps bi nan nga koy jàngatee gis équipe bi équipe euh, engagement. Oui, effectivement parce que ce sont des juniors déjà et puis euh, comme on dit chaque jour euh, première mi-temps ils étaient un tout petit peu attentifs les deux équipes c'est-à-dire le round d'observation lañ def mais après 15 minutes on a pris aussi un but très tôt waaw moo après euh, après dafa a pratiquement système bi ñu mais après 20 minutes les gosses se sont ressaisis après ils sont venus vraiment marquer un but légalisation. Hmm. mais gis nañ tamit dañuy ñëw tuuti rek ci championnat bi parce que je rek maa ngi doon wax ak euh, président ligue bi gis nañ ni championnat bi demee champion euh, ci ci ci bon journée yi ñu joué maanaam gis amélioration comme par rapport ak avant tey jii nan ngay wax si bon effectivement di di di di leen jaajëfal. Euh, premièrement, parce que ça fait pratiquement deux ou trois ans qu'on n'a pas joué de finale, je pense bien. Donc cette année-ci, vraiment, ils ont fait les bouchées doubles pour que nous compétions à tous les niveaux. Mais il y a des choses, il y a des manquements, il faut aussi le noter. Mais ce euh, ci je wax rek que donc euh, mais ça reste beaucoup quand même il faut le dire ça reste beaucoup voilà voilà. dernière question comme améliorer bon parce que déjà déjà cette euh, complicité entre les clubs nous nañ wax existé parce que à l'heure où je vous parle nous on a terminé notre saison pendant presque un mois et quelques euh, déjà on devait jouer une finale interlocuteur en l'occurrence